le forum du le forum du le forum du le forum du le forum le forum le forum le forum le forum forum est 18h passé de 15 minutes dans le studio Amfani de la région de Difa. Monsieur Dam, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du studio Kalangou. Bienvenue à ce nouveau numéro du forum du studio Kalangou qui se délocalise pour la seconde fois en région afin d'être plus proche de la population pour parler de leurs préoccupations quotidiennes. Le forum du studio Kalangou est un espace d'échange avec des personnes bien indiquées pour apporter des réponses aux préoccupations quotidiennes des auditeurs sur les questions d'actualité ou de société qu'ils se posent régulièrement. Le studio Kalangu est un réseau des 20 radios partenaires basés dans tous les chefs-lieux de région du Niger et dans les localités d'Arlit, de Tirozérine, de Méni-Sorwa, de Magaria, Tamaskebouza, Filengue, Pirningaure, Dolbella et Saï. Ce soir, il est question des repentis de Boko Haram. Entendez par là les ex-combattants de Boko Haram qui ont décidé de déposer les armes et reprendre une vie civile. Cela fait suite au lancement le 22 décembre 2016 du processus d'amnistie engagé par le Niger pour les ex-combattants de Boko Haram. Il s'agissait pour les autorités nigériennes de faire une main tendue à ces ex-combattants afin de leur assurer, je cite, une forme de prise en charge tout en leur garantissant la sécurité, leur éviter la prison, leur éviter toute poursuite judiciaire, a affirmé Mohamed Bazoum, alors ministre de l'Intérieur du Niger sur les ondes de RFI. Le président de la République, dans son message à la nation du Nouvel An 2017, a également réaffirmé cet main Un appel bien lancé et bien entendu. Fin février, une centaine de membres de Boko Haram ont commencé à se rendre et sont accueillis dans un centre de déradicalisation construit à Goudoumaria, à quelques kilomètres de Difa, un centre érigé en effet pour recevoir ces repentis. La question des repentis, ce sujet vaste qui nécessite l'intervention de plusieurs acteurs clés pour être mieux appréhendé. À ce sujet, nous avons dans ce studio trois invités. Je commence par mon invité de la droite. Présentez-vous. Voilà, merci madame. Moi, c'est Dr Grema Mustafa. Je suis le vice-recteur de l'Université de Difa. Bonsoir et merci d'être venu. Mon deuxième invité. Kiari Mustafa, je suis membre du collectif des organisations de la société civile de DIFA et également coordinateur régional de l'association alternative Espace citoyenne. Bonsoir et merci d'être venu. Merci madame. Et enfin mon, troisième invité. Euh, bonsoir, euh, moi c'est chez Timakri Lama mm-hmm. euh, le président du conseil régional de la jeunesse de DIFA. Avec eux, nous passerons tout d'abord en revue ce processus de main tendue engagé par les autorités nigériennes pour ces ex-combattants de Boko Haram. Par la suite, nous parlerons de la vie des repentis dans le centre des repentis, comment ils sont accueillis, la manière par laquelle ils sont pris en charge, leur état d'esprit, combien de temps ils resteront dans ce centre et à quelle fin. Enfin, nous verrons les actions menées, qu'elles soient institutionnelles ou tout simplement venues venant de la société civile, pour assurer un avenir meilleur à ces repentis. Nous tenterons également de définir comment éviter que d'autres jeunes s'égarent à leur tour à un moment où le gouverneur de DIFA signale l'apparition récente dans sa localité du fléau palais des groupes violents qui enrôlent les jeunes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter tout d'abord l'interview que nous a accordée le gouverneur de la région de Difa, M. Mahamadou Lawali Dandano, sur la question de cette main tendue des autorités nigériennes aux ex-combattants de Boko Haram. Comment les autorités sont-elles arrivées à cette initiative et pourquoi cette initiative On l'écoute. L'État a tendu la main un matin du 22 décembre à travers un discours fait par le ministre d'État Bazon, ici même à Difa et on a tendu la main et on a demandé à tous nos frères qui vraiment ont compris qu'ils se sont trompés à un moment de leur vie de rentrer. Donc la main a été tendue et depuis lors, nous avons accueilli un peu plus de 150 euh, euh, combattants de Boko Haram qui sont venus se rendre. Au début, ils étaient tous ici à Difa, dans ce qu'on appelle un camp de repenti. Mais présentement, nous les avons transférés à Godomaria, là où nous avons construit un c'est vraiment un complexe, il faut le dire, il faut le dire, c'est un complexe que l'État a construit sur forme propre et pour la gestion de ces répentis. Donc, présentement, ils sont à Goudoumaria, ils sont là-bas et c'est tout un programme. D'abord, on va procéder à ce qu'on appelle la déradicalisation. On va les déradicaliser, mais également, on va procéder à une formation professionnelle parce que nous avons remarqué que beaucoup de ces jeunes n'ont pas de formation professionnelle. Chacun aura son, on va lui demander sa question, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Il y aura des électriciens, des mécaniciens, ça dépend de ce que les gens ont envie de faire, ces, des modules. Il ne faut pas que les gens pensent qu'on est en train de privilégier les ex-combattants de Boko Haram. Non, la formation, ce n'est pas seulement les ex-combattants de Haram, c'est toute la jeunesse de la région de Gifra qui va avoir euh, cette formation. Donc, il faut le préciser, c'est très important. D'ailleurs, en majorité, ce sont les jeunes de la région qui seront formés, plus quelques éléments de Boko Haram. Mais après, on va faire ce qu'on appelle la réinsertion sociale. C'est là le, dernier aspect de cette démarche. Donc, euh, pour vous donner que cette opération de repentance, elle suit son chemin. Vous venez là d'entendre euh, les explications du gouverneur de la région de Difa sur la question de cette euh, main tendue des autorités euh, nigériennes aux ex-combattants de Boko Haram. Alors je commence par vous, monsieur le vice-recteur de l'université de Difa. Quelle réaction vous suscite cette main tendue des autorités nigériennes à ces ex-combattants de Boko Haram Je pense que c'est une politique de l'État qu'il faut saluer parce que bon... La guerre ne résout rien. Ça fait des années qu'on est là, on n'a pas pu régler le problème. Voilà, donc l'État a décidé de tendre la main à ces répandus, comme ça s'est fait un peu partout dans la sous-région du bassin du lac Tchad. Le Nigeria l'a fait, le Tchad l'a fait, et aujourd'hui le Niger l'a fait. Parce que nous, quand on se rencontre, euh, quand on est à des réunions internationales, effectivement, nos collègues d'ailleurs disent que ça s'est déjà fait chez eux. Et nous, quand monsieur le gouverneur a pris le premier arrêté pour mettre en place une commission sur la question de la main tendue. On a salué cette, main tendue. Cette main tendue euh, est un bon geste selon vous du gouvernement nigérien Oui, exactement. C'est un bon euh, geste parce que nous, dès le départ, on a dit la guerre seule ne peut pas régler ce problème. Et c'est pourquoi nous, à l'université de Difa, on a initié des rencontres à la demande des autorités parce qu'effectivement, quand nous on était venus, il y avait, on, était venus le 6 février 2015, le jour où DIFA a été attaqué. Et les autorités nous ont demandé qu'est-ce que l'université peut faire pour accompagner les victoires militaires sur le terrain. Et donc c'est comme ça que nous, on a entrepris un certain nombre de réflexions Peut-être on va revenir euh, là-dessus. Voilà, Je donne la parole à Monsieur Kiari Mustafa. Vous êtes acteur de la société civile. Euh, selon vous, euh, pourquoi ces ex-combattants du Boko Haram ont accepté la main tendue des autorités nigériennes Mais tout d'abord, qu'est-ce que, quelle réaction avez-vous face à cette main tendue Ok, merci Madame, merci à, au Studio Colombo pour l'occasion que vous nous donnez euh, pour nous exprimer sur euh, ce sujet controverse des gestion des répentis. Euh, comme vous l'avez dit en introduction, depuis fin décembre, le gouvernement du Niger a officiellement lancé le processus d'accueil des répentis dans la région de Tifa. Et avant la réunion ou le, meeting tenu par le ministre de l'Intérieur, le gouverneur a effectivement réuni dans son cabinet un certain nombre d'acteurs, comme évoqué par le vice-recteur, euh, réunion à laquelle nous, nous avons pris part. Et nous avons dégagé au cours de cette réunion, avant même d'aller au niveau de, de, la salle de meeting, nous avons dégagé notre position. Et c'est une position que nous avons défendue depuis deux ans. nous sommes sur la ligne mhm. pour défendre que l'approche de tous ces critères ne résout pas le problème d'insécurité dans la région de Difa. Donc il faut associer des actions vraiment civile et aussi chercher à comprendre les causes profondes de ce conflit. En cherchant à comprendre les causes profondes, on aurait dû vraiment ouvrir une issue pour que certains, je ne dis pas tout, mais certains qui sont actuellement enrôlés dans le rang de Boko Haram puissent revenir. Parce que quand on analyse les causes qui ont conduit les jeunes à s'engager de l'autre côté, on comprendra aisément que beaucoup pouvaient être récupérés. On avait proposé ça il y avait deux ans. En ce moment, nous n'avons pas été bien écoutés et il n'est pas encore tard pour vraiment euh, redresser la situation et résoudre et sortir de la crise. Il n'est pas encore tard et nous, nous avons accueilli favorablement la main tendue du gouvernement, mais en donnant aussi certaines, euh, comment on appelle ça, euh, certaines propositions pour que la question et le processus soient mieux gérés. Et selon vous, qu'est-ce qui a amené ces ex-combattants à accepter cette main tendue Parce qu'on sait qu'ils sont plus de 150 qui, qui se sont déjà rendus. Pour le moment, le travail de déradicalisation n'a pas été effectivement lancé. C'est vrai, il y, a, le cantonnement à Goudoumaria, ils sont 150 depuis trois mois. Mm-hmm. Les chiffres ne bougent pas. Là aussi, on doit se poser des questions. Pourquoi les chiffres n'augmentent pas depuis trois mois sur ça, on va revenir. Mhm. Maintenant, par rapport aux raisons, la motivation de ces jeunes à se rendre, là, vraiment, le vice-recteur a un peu évoqué, il y a la victoire, il y a le succès militaire sur le terrain. C'est vrai, ils ont perdu beaucoup le terrain. Mhm. Et il y a beaucoup qui voulaient revenir depuis deux ans. Mais, il n'y a pas... eu vraiment cette issue pour qu'ils mhm. reviennent. Depuis, parce que quand on analyse les causes et, les motivations de ces jeunes, on comprend que certains ont été trompés. Le gouverneur l'a dit. D'autres on pensait que c'est une bonne chose, ils sont partis, et ils ont vu que ce n'est pas ça. C'est totalement contraire à, la campagne qui a été menée. Donc il y a beaucoup de raisons qui, qui, qui font qu'aujourd'hui, ces jeunes ont accepté de revenir. Monsieur Chetima Krilama, vous êtes le président du Conseil régional de la jeunesse de Difa. Et en tant que jeune, cette main tendue aux ex-combattants de Boko Haram, selon vous, est-elle une bonne ou une mauvaise chose euh, merci beaucoup. Mais tout d'abord, permettez-moi quand même de remercier le studio Kalangu donc de s'intéresser à ces questions. Euh, non seulement qui va nous permettre aussi vraiment d'édifier donc euh, la population et en particulier la jeunesse <laughs> donc vraiment qui nous ont désigné donc d'un certain nombre de démarches que nous avons entreprises. la question des mains tendues par les autorités n'est pas un mal en soi, parce que quelque part, si on essaie de voir cette guerre-là, en réalité, c'est nous-mêmes qui est en train de s'entretuer. Comment ça Imaginez un enfant qui vient assassiner ses parents ou bien un frère. Donc, quelque part, c'est nous-mêmes qui est en train de, de se détruire. Donc, la responsabilité est un peu partagée. Si on peut la, comprendre... la responsabilité est partagée. J'aimerais quand même juste euh, de façon vraiment mhm. donc euh, ramassée, mhm. faire part d'un certain nombre de choses. Mhm. Donc vous voyez, tendre la main, donc euh, ne veut pas dire euh, ne pas plutôt tenir compte d'un certain nombre d'aspects, mais cela peut atténuer justement comme euh, de la société civile, donc euh, et le vice-recteur euh, l'ont souligné. Il y a plusieurs raisons qui ont poussé un certain nombre de jeunes et que par après, donc ils tenaient à abandonner, mais n'avaient pas un cadre qui peuvent leur permettre effectivement de revenir. Mais nous allons sans doute voir un peu plus loin un certain nombre de choses. Selon le gouverneur euh, de la région de Difa, Lawali Dandano, euh, le gouvernement nigérien est à pied d'œuvre pour faire amener d'autres vagues à rejoindre leurs camarades repentis. Alors, on écoute le gouverneur euh, le temps de revenir dans ce studio. La première étape de notre opération, qui, en tout cas, moi, de mon, point de vue, c'est une réussite parce qu'ils sont restés ici à Difa, ils ont été bien accueillis, mais également au niveau du, camp de Goudoumara, ils sont très bien, ils vivent bien. Donc, c'est d'abord euh, réussir cette première étape que l'État a réussi. Deuxièmement, c'est, moi, je pense que c'est, même pour eux, le choix n'est pas compliqué. Soit accepter de revenir dans la société, vraiment, accepter de, de tenir la main tendue, ou rester dans le maquis et on connaît la finalité du maquis. Donc, euh, le choix n'est pas compliqué pour eux. Mais l'un de l'autre, nous, en tant qu'autorité, nous continuons à, à, sensibiliser, à aller vers leurs parents pour leur dire, écoutez, appelez vos enfants, dites-leur de revenir. Voilà, l'État a tendu la main. Donc, euh, je pense qu'ils vont venir et ils vont, ils, vont saisir l'opportunité de vraiment déposer les, armes et venir se rendre à l'autorité. Est-ce que ces gens-là peuvent faire euh, venir euh, d'autres qui restent dans le maquis Absolument. Ils sont, eux sont en train de travailler avec nous pour faire venir d'autres qui n'ont pas pu et venir avec eux. Monsieur le vice-recteur de l'université de Difa, le docteur Mustafa Grima, vous venez là d'écouter le gouverneur de la région. Quelle réaction avez-vous Je voulais un peu euh, revenir, euh, avec votre permission, sur ce que nous, au niveau de l'université de DIFA, avons fait jusqu'ici. Parce que tout à l'heure, euh, M. Monsieur Mustafa et disait les causes profondes de pourquoi ces jeunes-là sont partis. Mm. Effectivement, dès novembre 2015, donc du 2 au 4 novembre, on a organisé un premier colloque international pour effectivement chercher à connaître les causes de pourquoi ces jeunes sont partis. Voilà. voilà. Et maintenant, tout récemment, du 15 au 17 mai, nous avons tenu un symposium international. Et maintenant, au niveau de ce symposium, mm-hmm. effectivement, quand M. le gouverneur disait qu'on est en train de faire revenir d'autres, effectivement, le Cameroun nous a présenté son expérience où ils ont ouvert un corridor de sécurité pour dire, par exemple, ceux qui doivent emprunter, veulent venir, doivent emprunter, par exemple, entre tel village et tel village, ou telle localité et telle localité. Et en ce moment, ça dit que si on les prend sur eh, ce corridor, militairement, on ne leur fera rien. Et donc, vraiment, on a bien apprécié cet échange d'expérience des Camerounais qu'on peut bien appliquer ici. Ça dit que eh, tout à l'heure, et Mustapha disait que depuis deux ans, il y a des gens qui voulaient revenir. Mais il n'y avait pas, donc avec la présence militaire sur le terrain, ce n'était pas possible. Justement, vous qui avez euh, organisé le troisième symposium euh, de DIFA sur euh, le terrorisme, quels étaient les objectifs recherchés Au cours de ce symposium, nous, l'objectif, c'est toujours accompagner la politique gouvernementale. Parce qu'une université qui est là, c'est vrai, et le thème de l'université, c'est écologie et environnement. Mais une université doit toujours prendre en compte les problèmes euh, donc, des sociétés. Dans les, voilà, Et donc, vous savez, la question sécuritaire à DIFA est connue de tous. Donc, l'université s'est posé la question comment accompagner les efforts eh, du gouvernement. Donc, à travers, par exemple, ce symposium eh, de mai 2017, nous, c'est comment arriver à déradicaliser ces jeunes-là qui sont revenus voilà. Et maintenant, réintégrer ces jeunes. Donc, ça dit la déradicalisation, ce n'est pas uniquement ceux qui sont revenus, y compris ceux qui sont. Voilà. Par exemple, il y a un monsieur qui est venu d'Angleterre et un autre qui est venu de Colombie avec les FARC, l'expérience des FARC, où c'est des messages qu'on envoie à travers les ondes ou par SMS aux combattants qui sont restés dans le maquis et qui ont pu revenir. Donc ça, c'est des... nous, l'objectif, vraiment, c'est comment échanger eh, avec les autres où il y a eu des crises, où il y a eu eh, des conflits. Par exemple, l'exemple rwandais, l'exemple burundais, l'exemple sud-africain, libérien, Sierra Leone. Donc tout ça, on a fait venir des experts, des conférenciers qui ont partagé ces expériences pour qu'on puisse voir à fois qu'est-ce qu'on peut appliquer de toutes ces expériences. On a fait venir des gens d'Afghanistan pour partager l'exemple des talibans des FARC de Colombie, comme j'ai dit, donc d'un peu partout. C'est vraiment le but, c'est comment s'inspirer de ce qui s'est passé ailleurs pour que la paix revienne dans la région des DIFA. Donc, de façon globale, c'est vraiment ça. Monsieur Kiari Mustafa, la société civile également a participé à ce symposium, cette rencontre d'échange, c'est ça Effectivement, la société civile a été fortement représentée au niveau de ce symposium et a fait même une présentation, une communication sur sa vision sa contribution pour la réussite du processus. Là, le travail de la société civile est essentiellement le travail de, de veille, d'observation et de faire des propositions pour que les gouvernants améliorent la, gestion du processus. Et là, je reviens sur euh, un peu les différents documents, si vous permettez, qui sont produits lors de colloques et symposiums organisés par l'Université d'IFA. C'est un travail excellent à souligner. C'est un travail vraiment original parce qu'il est très rare de voir des universités impliquées sur ces genre de questions. Et là, l'université, surtout la jeune université de DIFA, s'est engagée pour apporter sa contribution dans le retour de la paix à DIFA. Et là, maintenant, nous, nous avons une inquiétude parce que il ne suffit pas de réfléchir. Réflexion, il y en a eu. L'université a créé le cadre pour que les gens viennent échanger et faire des propositions, des recommandations. Maintenant, le grand travail qui reste à faire, c'est de faire usage des résultats de ces réflexions. Je reviendrai vers vous. Voilà. Monsieur le vice-recteur, plusieurs semaines après euh, l'organisation de ce symposium, quels sont les premiers impacts issus des recommandations Bon, madame, euh, c'est un peu tôt, je pense, pour parler d'impact, parce que bon, ça fait euh, à peine moins de trois mois. Donc là, nous sommes à pied d'œuvre pour éditer les actes du colloque. Voilà, donc ça dit, nous sommes au niveau de l'édition. Pour le moment, c'est vraiment la version brute qu'on a, qu'on a quand même partagé avec euh, tous nos partenaires. Mais je pense que c'est après l'édition où officiellement on va remettre le document aux autorités. Et c'est en ce moment vraiment qu'on va parler d'impact. Le symposium, mais avant le symposium, il y a eu colloque aussi. Il y a eu un, un document très important qui a été produit par l'université. Est-ce que les acteurs surtout les politiques, ça sont servis de ces documents pour vraiment eh, améliorer eh, la situation. Ça, c'est une question. le, Conseil régional, quelle était vous, votre implication euh, lors de ce symposium euh, effectivement, donc euh, à notre niveau aussi, on a été pleinement impliqué parce que nous avons aussi été euh, conférenciers. Et là, avant d'y aller, donc comme on l'avait souligné tout à l'heure, nous étions partis aux causes profondes donc, parce que toute solution ne peut vraiment ressortir que vraiment euh, l'issue, vraiment d'analyse, vraiment donc euh, beaucoup plus approfondie. Donc, euh, nous avons mis vraiment à la disposition de l'université, donc pour leur appréciation aussi. Mais par rapport à ces sujets, moi, j'aimerais beaucoup plus qu'on ne perd pas de vue, ça est certains vraiment particularismes qu'il peut y avoir par rapport à cela, parce que la guerre, là, donc, euh, même si on sait que traditionnellement, ce qu'on pense la guerre, c'est tuer, et ainsi de suite. Mais cette fois-ci, vraiment, il s'agit d'un cas euh, si particulier, jamais vu au monde. Donc, euh, on est quand même des Africains aussi. Donc, il y a un certain nombre de paramètres qu'il faudrait tenir compte. Oui, alors nous poursuivons ce forum euh, pour parler toujours de la question des repentis qui sont accueillis dans un centre de déradicalisation à Goudemaria et qui seront tous réinsérés dans la société. Mais donc, quelle sera l'avenir de ces repentis une fois sortis de ce centre Écoutons une fois de plus le gouverneur de la région de Difa, Lawali Dandanou. La dernière étape, c'est la réinsertion sociale. Donc, nous, nous pensons que c'est des jeunes Nigériens qui, à un moment de leur vie, se sont trompés. Ils ont compris, ils sont revenus. Nous, les avons, nous avons travaillé leur mental pour faire de, de, nouveau des bons citoyens. Et moi, je pense qu'ils euh, vont être réinsérés dans leur euh, lieu d'origine. Et ils vont continuer à vivre comme tout jeune Nigérien et aspirer à un avenir meilleur. Et une fois euh, ces, ex-combattants sortis de ces centres, est-ce que la population pourrait accepter de, vivre une nouvelle vie avec eux, sans peur, sans crainte il y a un travail qu'on est en train de faire. Je puisse vous informer que déjà au niveau de la région de Difa, nous avons mis en place quatre comités au niveau des quatre départements qui ont connu cette crise de Boko Haram. Donc ces quatre comités avaient pour mission de visiter toutes les familles endeuillées, toutes les familles victimes, maison par maison, allez-y, demandez le pardon au don de l'État. Et donc, et déjà, moi, j'ai les rapports de ces quatre commissions. Ils ont visité toutes les familles des familles endeuillées et pratiquement toutes les familles ont pardonné. Ils ont pardonné parce qu'ils ont compris que le choix n'est pas compliqué. Il y avait deux choix à faire, soit accueillir ces jeunes ou les tuer. Et moi, je pense que le, le choix n'est pas compliqué. Donc, pratiquement toutes ces familles ont pardonné. C'est un processus qui suit son cours. C'est ça la guerre. Et souvent, il y a des situations, il faut vivre avec comme dit l'autre, pardonner, mais pas oublier. Toujours euh, sur cette question, à savoir si la population pourrait pardonner et accepter ses repentis une fois sortie de ce centre, nous avons recueilli les avis de quelques citoyens de la ville de, Dufa. On les écoute. <coughs> je ne peux pas revivre. Si on va revivre avec je vais changer. S'il y a une autre région où on vit, là, il ne peut pas aller, je vais aller là-bas. Parce que je n'ai pas confiance. Sincèrement dit, je n'ai pas confiance. Même si c'est mon propre fils que j'ai accouché, s'il rentre avec et je n'ai pas confiance à lui, à plus forte raison quelqu'un. Donc, euh, vous n'êtes pas satisfait de cette décision du gouvernement de les prendre, de leur donner une formation, tout ça là Bon, je peux dire que le gouvernement peut les appuyer, mais pas les réintégrer dans la société. Il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs façons. Il peut le garder amener des gens là-bas, amener leur ravitaillement, leur nourriture. Même si ce sont des centres, on peut créer, ils peuvent faire leur commerce au sein entre eux. Mais quand même pas, dans la société. Tout ce que le gouvernement prend comme décision, nous serons obligés de l'accepter parce que nous sommes sous sa coupe. S'il décide de les réinsérer dans la société, nous les acceptons à bras ouverts, mais à condition qu'ils viennent vivre en paix. Nous pouvons bien revivre avec ces ex-combattants de Boko Haram à condition qu'on ne connaisse pas leurs identités. Mais tant qu'on sait que ce sont des ex-combattants de Boko Haram, vraiment, c'est impossible de revivre avec eux. Cette décision du gouvernement est vraiment mauvaise. Donc, elle n'est pas la bienvenue, car nous n'allons jamais pardonner ces criminels. Ils sont là, par exemple, ils vont dire que non, et ils ne sont plus Boko Haram, ils vont venir vivre avec vous. Maintenant, on ne sait pas, ils peuvent se, ils peuvent qu'ils sont des complices avec les autres. Je ne, plus, je peux plus rester avec eux, sans seulement parler. Je perdu. Docteur Moustapha Grima, monsieur le vice-recteur euh, de l'Université de DIFA, vous venez là d'entendre euh, diversement des réactions euh, face à la question de la réinsertion des ex-combattants de Boko Haram dans la société. Alors, qu'est-ce que vous en pensez Doit-on accepter ces repentis dans la société ou pas Là, je voulais dire quand même avant notre symposium demain, le 24 et 25 avril, nous avons tenu un pré-atelier ici à DIFA au cours de ce pré-atelier, on a réuni les 12 chefs de canton de, bon, chefs de canton de la région de Difa, les 12 maires, les 6 préfets, 4 jeunes par commune, pour des 12 communes. On a fait venir une représentante des femmes, un représentant des victimes de Boko Haram. On a fait venir les imams de 12 communes avec les chefs des cantons. Voilà, donc avant le symposium, pour qu'on dise un peu ce que l'université veut faire, parce que quand on le fait, c'est au nom de ces communautés. Donc, nous, on a réuni ces gens pour leur dire, voilà ce qu'on veut faire en votre nom. Est-ce que la démarche qu'on a entreprise vous convient Voilà un peu les notions qu'on veut développer pour que vous soyez à la même longueur d'onde que les conférenciers qui vont venir euh, parler de ces questions. Et au cours donc de ce pré-atelier, il est ressorti. Donc c'est vraiment les représentants, c'est un échantillon représentatif que les gens sont prêts à pardonner, mais ils ont dit il faut le serment coranique parce que c'est important ici chez nous. Et puis une autre chose qui a été dite, les gens sont prêts à les accepter. Mais c'est-à-dire faut pas qu'on se limite à intégrer ou réintégrer uniquement ces jeunes qui sont partis. Il faut penser à tous les jeunes qui sont là, ils font passer à toute la population locale. Parce que quelque part, on va créer une frustration. C'est-à-dire que si c'est uniquement que ces jeunes qui sont revenus qu'on va accepter. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est toute la population, j'ai dit. En tout cas, c'est ce, que, ce qui était ressorti du pré-atelier pour que vraiment eh, qu'on aille avec une seule voix, la voix de DIFA au niveau des symposium. Et quand il y a eu ces recommandations, donc nous, on a répercuté ces recommandations à tous nos conférenciers qui venaient au symposium pour dire les populations de DIFA attendent que vous développiez tel aspect, tel aspect, tel aspect dans, votre, dans vos différentes conférences. Et c'est ce qui fut fait. Bon, tout à l'heure, j'ai entendu une dame qui dit ils ne vivront jamais avec, avec ces gens. Et c'était l'objectif de notre symposium, c'est faire partager les expériences de ce qui s'est passé ailleurs. Au Rwanda, c'est un million de morts des voisins se sont entretués, mais aujourd'hui, ils vivent en paix. En Sierra Leone, au Libéria, on dit courte manche, longue manche, on coupe les mains des gens, on tue. Mais aujourd'hui, les gens, c'est-à-dire qu'on est obligé de vivre ensemble dans tous les cas. Mm-hmm. Ils n'ont pas un autre, une autre région, ils n'ont pas un autre pays. Donc, ça dit qu'il faut faire avec, comme on dit, pour que vraiment les gens eh, vivent ensemble. Ensemble en paix. Alors, Kiari Mustafa, euh, Êtes-vous convaincu de la sincérité du repenti de ces jeunes qui se sont rendus Doit-on les accepter ou pas Bon, là, en écoutant les, différents intervenants et en écoutant aussi le, gouverneur de la région, vous-même, vous avez compris que pour la population, il y a des réactions mitigées. Des réactions mitigées, certains sont d'accord, d'autres non. non. Et là, tout l'essence de notre préoccupation dès le lancement du processus. Et cela est dû à une insuffisance dans la préparation et dans la, sensibilisation de la population. Le docteur a peu évoqué. Nous, nous sommes dans une crise. C'est vrai, on n'est pas encore sorti de la crise. Et pour engager un processus de telle envergure, il faut au préalable préparer la population. Même si les raisons avancées par les autorités sont vraiment louables et sont bien fondées, comme si la population n'est pas bien préparée à accueillir ces gens, on ne peut pas décréter un pardon. On ne peut pas du tout. Le gouverneur, quand il dit que toutes les familles des victimes ont pardonné, là, ça me donne envie vraiment de, de, de rebondir en disant que non, on ne peut pas décréter un pardon. Et il y a un travail sérieux de préparation avant de réinsérer ces repentis et avant même de faire le travail de réinsertion au niveau de ces communautés. la société civile, est-ce qu'il y a des actions spécifiques que vous menez dans ce sens Oui, les actions, nous, nous sommes en train de faire comprendre à la population la nécessité d'accepter d'abord le processus, parce que c'est tout un processus. Il y a la question des pardons, la question des réparations, parce qu'il y a des victimes. Ce n'est pas à l'État seulement d'aller présenter le pardon On en des de bourreaux qui sont là. Au nom de ceux qui ont commis là, à travers des sensibilisations, à travers maintenant ces genre de débats, à travers des, conférences et à travers même des formations de certains leaders pour qu'ils comprennent l'enjeu et pour qu'ils comprennent la nécessité d'accueillir et d'accepter le processus d'abord. Il faut que le processus soit accepté. Alors, je reviens vers vous, Monsieur Chetima Krilima. Vous êtes le président du Conseil régional de la jeunesse de DIFA. Donc, vous venez d'entendre toutes les interventions de vos prédécesseurs. Est-ce que vous pensez que ce traitement de déradicalisation euh, à lui seul suffirait à, ces ex-combattants de Boko Haram d'oublier les expériences qu'ils ont acquises euh, au sein de la secte et reprendre une vie normale, une vie civile normale euh, Je ne veux pas être totalement négatif, mais franchement, à première vue, j'en dirais non. J'en dirais non. Pourquoi Parce que vous savez, une fois que l'être humain endure un certain nombre de choses, c'est pas facile. On peut beau vouloir dire que oui, nous pourrions pardonner, mais devant les faits, ça peut être toute autre chose. Donc, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, il y a un bon nombre de paramètres dont il faudrait tenir compte. Mm. Actuellement, personnellement, moi, je peux vous assurer, en échangeant avec 10 euh, jeunes, 9 sur 10 ce qui est en train de se développer maintenant dans l'état d'esprit de cette jeunesse, c'est comme s'ils se disent que, bon, voilà, malgré tout, quel qu'en soit ce que la personne va aller commettre comme acte délictueux, donc ce n'est qu'en ce temps-là, l'État peut te mettre dans tes droits. Mm-hmm. Vous voyez Donc, et cela signifie que déjà, il y a un certain nombre de cas qui font en sorte que chez la jeunesse, on est en train de se dire, d'une manière générale, qu'au Niger, qu'on te met dans tes droits, que si vraiment tu commets des fautes graves, il y a, cet état d'esprit qu'il faudrait combattre. Vous voyez Et puis, euh, en dehors de ça, la réinsertion de repentir de Boko Haram devrait pas être à l'ordre du jour. Il faudrait dégager, dégager toutes ces choses-là. D'abord, préparer ce terrain, comme euh, de la société civile venait de le dire, vraiment pour que cette population puisse s'assurer, parce qu'il faut qu'elle ait vraiment comme garantie véritablement qu'il n'y aura pas un autre problème. Vous voyez. Monsieur le vice-recteur, vous voulez ajouter quelque chose Tout à l'heure, quand je disais la réinsertion doit concerner toute la population. Mm, effectivement, c'est pour éviter ce que Monsieur eh, voilà, Chetima il vient de dire. Parce qu'on s'est dit, effectivement, si on ne réintègre que les Boko Haram, il y a des jeunes qui sont là, les repentis. Mm. Mais ces jeunes vont dire, mais si c'est la voie la plus facile, autant aller voilà, exactement. Et donc voilà, donc autant éviter ça dès maintenant que de vouloir régler plus tard. Voilà, je pense que ce que je voulais dire vraiment, c'est en réintégrant, c'est toute la population qu'il faut eh, prendre en compte. Nous tirons presque à la fin de ce forum euh, pour parler à présent des actions menées par les autorités pour éviter que d'autres jeunes s'égarent à leur tour. Je vous propose d'écouter le gouverneur de Lawali Dandano. Je pense que d'abord, il faut communiquer beaucoup. C'est le plus important. Il faut communiquer beaucoup. Souvent, parce que les gens ils font des choses sous le coup de l'ignorance, sous le coup de la sous-information. Donc, euh, nous sommes en train de communiquer, de sensibiliser notre jeunesse, vraiment leur expliquer la nécessité d'éviter de tels travers. Et je pense que beaucoup l'ont compris beaucoup l'ont compris. Actuellement, c'est même les jeunes de la région de l'IFA qui, eux, sont en train de faire le de transmettre le message donc moi, je pense qu'on va tous, vous, les médias, il faut venir en appui aux autorités pour nous aider à communiquer, pour nous aider à sensibiliser cette jeunesse vraiment qu'elle doit éviter de tomber dans des travers comme Boko Haram. Monsieur le vice-recteur, selon vous, qu'est-ce qui doit être fait à l'avenir pour éviter que d'autres jeunes intègrent la secte Boko Haram Voilà, et merci madame. Tout à l'heure, euh, monsieur le gouverneur disait, ceux de Goudoumadia, on doit les former euh, en électricité, en mécanique et autres. Bon, nous, au niveau de l'université de DIFA, au cours du symposium, effectivement, on a proposé une vision de l'université pour régler ces problèmes. Bon, c'est pas que l'université voilà contribuer, voilà, oui, voilà. Donc nous, on a pensé à une ferme expérimentale où c'est vraiment un incubateur où on va faire des fermes agricole, agro avicole pour les poulets, piscicole pour les poissons, apicole pour le miel, et une ferme d'élevage de faune sauvage. Donc, au niveau de cette ferme, cest dire recevoir des vagues de jeunes qu'on va former pendant six mois. Et maintenant, les partenaires, on est en pour parler avec des partenaires qui vont nous accompagner pour mettre en place ces fermes. Et maintenant, il y aura un, un dortoir où, en tout cas, les, ceux qui seront eh, accueillis vont être pris en charge. Mm-hmm. Ils vont être formés pendant six mois. Et le principe que nous, on a fait, c'est qu'il faut qu'ils se regroupent en association. Parce que on a vu des expériences d'ailleurs où on donne des kits aux gens. Ils vont, ils revendent les kits. Et finalement, ils retournent dans à la situation de départ. Mm-hmm. Donc nous, voilà un peu l'idée, c'est vraiment des fermes dans le domaine de spécialisation de l'université mhm. qu'on veut créer et déjà il y a un partenaire qui est prêt à nous accompagner pour mettre en place la ferme agro-pastorale où on va faire donc euh, les cultures fourragères, élever les animaux et montrer à ces jeunes ces différentes techniques. Une manière donc de lutter contre la pauvreté et le chômage. Bon, voilà, parce que les causes profondes, effectivement, c'est exactement. Chetima je finis avec vous. Vous êtes le président du Conseil régional de la jeunesse euh, de la région de Difa. Dites-nous, qu'est-ce que vous faites euh, pour empêcher euh, à ces jeunes de s'égarer, surtout avec la question récente du phénomène palais euh, merci. D'une manière générale, donc, euh, euh pour ce qui est de, de l'enroulement de, de, cette jeunesse, y compris donc euh, l'histoire du palais ou bien la <laughs> question du palais, quelque chose qui est réel. Oui, effectivement. Euh, c'est-à-dire euh, actuellement avec PNUD, donc nous avons bénéficié d'un centre multifonctionnel qui prendra en charge donc d'une manière générale toutes les questions relatives vraiment donc euh, à cette jeunesse. Maintenant, euh, entre autres, effectivement, il y a bon nombre de euh, en tout cas d'efforts qui ont été consentis. J'en dirais plutôt bon nombre d'études qui ont été menées, si vous prenez du côté de la société civile, de l'université, y compris du côté des autorités aussi, que nous comptons effectivement à ce que cette jeunesse, pour l'instant, qu'elle puisse prendre conscience des dangers qui guettent notre avenir, parce que c'est notre avenir qui est compromis. Donc vous voyez d'où nous avons intérêt vraiment à sursoir ou bien à ne pas se laisser vraiment y aller dans, dans certaines pratiques. Maintenant, et entre autres, et la région renferme beaucoup de potentialités. Donc nous comptons mettre ça en œuvre pour que vraiment les jeunes, donc le chômage de ces jeunes-là soit absorbé. Maintenant, parallèlement, il peut y avoir des renforcements de capacités. Euh, monsieur Kiari Mustafa. Euh, oui, le, phénomène de palais est, nouveau à DIFA parce que ça a commencé ailleurs, on a connu ça. Et c'est une expérience vraiment malheureuse. Et dès que ce phénomène a commencé à, à DIFA, nous, nous avons fait un travail d'alerte pour appeler surtout les autorités, à prêter une attention particulière à ce phénomène. Les jeunes, c'est des adolescents même, on n'appelle même pas, c'est des ados qui ont commencé à se constituer en groupe et font des, activités qui sont vraiment du tout pas à, à contribuer à la stabilité parce qu'entre eux, c'est des violences qui sont développées, c'est la drogue. En tout cas, c'est un phénomène auquel nous nous sommes intéressés de près jusqu'à aller même faire un peu localiser ces phénomènes, surtout dans la ville de Difa, et pour entreprendre des actions de sensibilisation et de formation. Et là, chaque partenaire, pas seulement nous, mais tous les partenaires et les autorités doivent s'intéresser et contenir ce phénomène parce que ça peut être vraiment un panier pour eh, le recrutement des Boko Monsieur, le vice-recteur, pour finir, quel appel avez-vous à lancer à toute euh, la population de DIFA, la jeunesse euh, plus précisément Bon, euh, pour la jeunesse, il voit bien ce que les autorités sont en train de faire en accord avec les partenaires qui sont venus d'un peu partout pour nous aider. Et autant que faire se peut, en tout cas, les autorités sont en train de tout mettre en œuvre pour que ces questions profondes, ou bien les causes profondes qui ont poussé ces jeunes à aller à Boko Haram soient résolues. Voilà, pour les populations, il faut qu'ils acceptent ces jeunes. Parce que, comme je l'ai dit, ce sont leurs enfants. Ils n'ont pas où aller que dans leur famille. Si aujourd'hui, les populations ont demandé le serment coranique, peut-être que ces jeunes-là jurent sur le Coran parce que c'est important dans cette région, qu'ils ne reprendront plus les chemins des maquis, et en ce moment, il faut que les populations les acceptent. Monsieur Thierry Mustafa, votre appel oui, moi, l'appel que j'ai à lancer, c'est surtout à l'endroit des partenaires techniques et financiers du Niger d'abord, qui hésitent encore à s'engager pour soutenir le processus. Selon les échos que nous avons, pour le moment, c'est le gouvernement seul qui est en train de gérer le processus au niveau des camps, surtout la gestion des camps de Goudumaria il y a moins de partenaires qui ont accepté de s'engager parce qu'ils ne voient pas clair, ils ne comprennent pas si c'est vraiment DDR connu, le concept répandu n'est pas encore dans leur répertoire. Donc pour ça, vraiment, le, gouvernement doit travailler parce que le gouverneur, c'est vrai, il est, dynamique, mais quand même, il ne doit pas aussi banaliser la contribution des autres. Pour ramener vraiment la population à accepter le processus, il faut que toutes les faiblesses relevées, surtout dans le processus, soient vraiment corrigées. Vraiment, euh, étant donné que vraiment la responsabilité elle est partagée, l'appel que je lance d'abord, il n'y a pas que au niveau des jeunes seulement, au niveau des autorités. Il faut qu'on Niger, ça change, qu'on soit à même de prédire un certain nombre de choses pour prendre des dispositions. Maintenant, à l'endroit de cette jeunesse-là, J'en dirais vraiment, euh, il faut qu'on vote notre fardeau pour partir vers une nouvelle vie. Mais qu'ils sachent véritablement, cette fois-ci, il y a un engagement fort, que ce soit du côté des autorités, que ce soit euh, chez nous, leurs leaders, la société civile. On est en train de, d'abattre vraiment, donc euh, de, de s'acharner là-dessus et que beaucoup de dispositions vraiment vont être prises et il y aura un accompagnement conséquent vraiment que tout le monde va s'y retrouver. Ainsi va la vie. Il faut qu'on avance <laughs> vraiment pour le bien de notre. Euh, la fin de ah. ce forum qu'on euh, accepte. Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangou, c'est la fin du forum du studio Kalangou qui portait sur la question des repentis de Boko Haram. Nous étions avec euh, le vice-recteur euh, de l'université de DIFA, organisateur du symposium de DIFA sur la déradicalisation, docteur Moustapha Grema. Merci à vous d'être venu. Nous étions également avec euh, Kari il est acteur de la société civile. Monsieur Kari, merci d'être venu. Je vous en prie, madame. Chetima Krilema Abdoulaye, il est le président du conseil régional de la jeunesse de DIFA. Merci d'être venu également. Merci et bon vent à l'Studio Kalangou. Vraiment des, efforts aussi que vous êtes en train de faire. La réalisation a été assurée par Mokhtar Hamodo, la technique à Seni Isaka. À la présentation, c'était Nafisa Adam Rendez-vous demain à la même heure. Bonne soirée.